dafa bari su suñu minerai yëpp daf ñu metti ñu teg ci courant bi teg ci ceeb teg ci lépp sama kër tey bi may ñëw ndox amul te musul ñàkk dëkk naa fa pendant des années musuma ñàkk ndox amatuñu dara ku amul dara dangay nekk ci mbedd mi xeex loolu moo ma indi dama koy wax mu xalaat démb démb bu xalaatee démb dina doxal yoon parce que ñi fi nekkoon bañu bañuy def lañuy def sen dégâts dañoo xeex ak ñom ñu joggé fi mom ñu may ko mu wax ñu ñu gëm ko nañu xeexe won ba jële fi ñooñu nañuy xeex ba jële ko fi refondation mom mo taxaw parce que bo démé Kolda gaay ngay manifester bo démé Ngalel ci Saint-Louis gaay ngay manifester mareyeurs yi ñi ngi manifester santé yi ngi manifester lébu yi ngi manifester loolu lu mu tudd moy manifestation du fi rek tay manifestation de bi yëpp la bu ko ça veut dire que dialogue national bi ñuy wax xewul li xew sénégalais yi la refondation kon refondation république du Sénégal maanaam defaraat jikko loolu moom moo ñu génn ci biti Di Marius Sagna Ken jàpp ko dañ ko gën a ci joolaa moom la wax ajama taw ajama taw moy ko xamné da nga am jikko ju ju kon Guy Marius Sanya. dañu woné ne jikko bu bu Marius ak bu Omar Blondin Diop mi ñu ak Balla ak Mamadou job, jikko mom la Sénégal wara jëfé wayé duñu jëfé ay Abdou ay ay Mahmoud Saleh ay kon refondation manam défaral jikko moment vive la refondation de la République du Sénégal dialogue national échoué na ba paré. C'est une manifestation pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, pour exiger la baisse du prix de l'électricité et d'une façon générale des denrées qui ont, qui ont beaucoup... Euh, augmenté dans la dernière période. Mhm. Et puis aussi, d'une façon générale, pour, euh, pour que le, pouvoir arrête, euh, cesse d'arrêter les gens à droite, à gauche. Il faut laisser les gens exprimer leur euh, liberté. Guimari Sagna arrêté, est-ce que ça dit que le Sénégal n'est pas un état de droit Ou exactement c'est quoi C'est pas seulement ça. <laughs> y a... Il y a un recul démocratique quand même assez important. démocratie trop mais li pour faire. hier c'était le carburant aujourd'hui on parle d'électricité et aujourd'hui nous parlons aussi de l'huile est-ce que nous devons rester les bras croisés pour laisser maintenant ce gouvernement continuer maintenant à augmenter les prix à chaque instant et à tout moment sans être inquiétés nous disons non. Nous sommes des citoyens sénégalais, nous avons l'obligation et le devoir de mener ce combat. Aujourd'hui, ce qui a constaté, c'est que Macky Sall, avec son gouvernement, n'ont jamais diminué leur train de vie. Il faut qu'ils diminuent leur train de vie pour essayer de nous donner une leçon. Ils n'ont pas donné des leçons parce qu'ils ont un train de vie extraordinaire. Macky Sall, en personne, a trahi le peuple depuis très longtemps. C'est au peuple maintenant vraiment de faire face pour laver ce front. On en a assez et il faut qu'ils arrêtent le dérive. Il faut qu'ils diminuent d'abord le E, le train de vie. Il faut qu'ils arrêtent le détournement. On en a assez et le peuple souffre. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toute la population sénégalaise de sortir et faire face à ce régime. On voit que les jeunes sont déterminés, malgré les tentatives d'intimidation, malgré les emprisonnements. Quand je vois Pape Abdoulaye qui était en prison, qui est là déterminé, ça fait deux jours, il est à l'université en train de distribuer des flyers, de faire de la sensibilisation. Ça montre qu'il y a une relève déjà, mais ça montre que malgré les emprisonnements, malgré les intimidations, les gens sont déterminés. Il y a d'autres plans d'action qui sont prévus. Déjà, il y a les organisations comme la RADO, la Ligue des droits de l'homme, donc qui ont saisi la CDAO, l'ONU, il y a d'autres actions qui arrivent, d'autres actions. Malheureusement, on ne peut pas en parler ici. S'il ne libèrent pas Guy Marissagna et s'il ne baisse pas le prix de l'électricité, le combat va s'intensifier. Ça, c'est des munitions pour le combat. ils, ils ont promis aux Sénégalais qu'ils allaient diminuer la cherté de la vie.